te signature convention yi également mu am ay intermédiaire yuy intervenir ci biir convention de financement yooyu noonu bi ci mujj mooy wàllu BRT am na ñu ne toll ci trois cent cinq milliards de francs CFA lañ ci def gouvernement bi communiquer. daal dina loolu yëpp nekkul ci tëli bi xam nañ ne nekkul bi lii dañ ci jënd matériel lii jënd ci lii lii jënd ci lii di jënd ci lii mais buñ demee ba.

Vous que les jambes qui signent. signé avez un problème Vous avez la convention de financement man bëgg le montant exact vous bëgg la durée du hmm? des travaux vous bëgg la durée de grâce vous bëgg le taux bi nga emprunté bëgg nañ commission ici. vous avez les clauses de la convention pour mën que askan contrat la nous ak ne ay amul la transparence dans les clauses des conventions de financement donc flux financier illicite bu également par rapport à suñu ressources yi au niveau au niveau au niveau interne